patronales qui font leur sortie, Papéram. Oui, tout à fait. C'est le secteur privé sénégalais qui vient de terminer son entretien avec le chef de l'État. Donc on va prendre leur porte-parole euh, sur la première marche. Voilà. Alors Ibrahim Djedjou, euh, donc... Euh, nous sommes avec euh, Bédé Agne du CNP. Alors, vous venez d'être reçu par le chef de l'État dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre le Covid-19. Euh, quel doit être votre rôle aujourd'hui euh, dans cette guerre contre le coronavirus Tout d'abord, remercier le président de non seulement la concertation qu'on a eue avec lui tout à l'heure, mais la concertation qu'il engage avec toute la nation. Donc, de la nécessité de cette cohésion nationale autour de ce virus qui atteint le monde entier. Le président de la République nous a euh, exprimé toute la d'abord fierté qu'il avait sur son secteur privé national, tout en expliquant euh, toute la démarche dans laquelle il est engagé et de la nécessité, un, aussi de cette solidarité nationale, mais aussi de voir avec nous les impacts économiques que ce fléau euh, et ce virus euh, a sur notre économie. Il a euh, indiqué aussi l'ambition qu'il a eue pour adresser non seulement l'économie, mais aussi bien sûr les populations, la santé et contenir ce virus par ce plan qu'il a dégagé de 1000 milliards. Il s'est satisfait déjà de différentes contributions et de la mobilisation du secteur privé national. Il s'est aussi satisfait de, de cette dynamique enclenchée par le privé. Il nous a même éclairé aussi sur euh, des commentaires qui n'ont pas été ses commentaires propres, c'est-à-dire euh, de sa manque de satisfaction sur le secteur privé. Bon, c'est des propos qui n'est pas du tout ce qu'il a exprimé et il a raison aussi, il l'a dit publiquement et nous-mêmes nous l'avons dit, le secteur privé ne se limite pas à nos organisations ici, il se limite non seulement à tous les nationaux, à toutes les entreprises installées, aussi en cas de solidarité, toutes les entreprises qui bénéficient en grande partie des marchés de l'État ou qui soient dans des secteurs stratégiques un peu dominants, doivent bien sûr participer à la mobilisation nationale. Et donc, euh, ce que nous avons enclenché nous-mêmes comme organisation la dernière fois pour dire nous mobilisons l'objectif du milliard, bien sûr, ce n'est pas l'objectif de mobilisation du secteur privé. Nous allons faire le compte de tout ceci, mais ça va se chiffrer pour sûr à plusieurs, plusieurs, plusieurs milliards. Et ça a commencé. On est déjà dans les plusieurs milliards a pris des mesures fiscales pour aider les entreprises nationales. Comment vous accueillez justement euh, cette euh, nouvelle du président de la République Nous avons noté euh, sa volonté de mettre 200 milliards précisément pour adresser toutes les dettes fiscales. Nous avons eu, non seulement avec le président de la République, mais avec le ministre de l'économie aussi, des échanges et nous sommes en train concrètement de formuler les différentes propositions dans un comité qui devra étudier beaucoup plus précisément cette question. Mais c'est des mesures que nous accueillons de la meilleure des façons. C'est des mesures avec, et le président de la il est très sensible à l'impact économique euh, sur les emplois de ce virus. Nous-mêmes, nous avons aussi engagé déjà des concertations avec les syndicats de travailleurs qui ont montré eux-mêmes déjà beaucoup de responsabilités pour que le plus possible qu'on essaie de maintenir les gens dans un système de paiement, enfin, où reçoivent leur salaire, beaucoup d'entreprises sont impactées, certainement exprimé tout à l'heure, au niveau de l'industrie, au niveau du commerce, à tous les secteurs. Mais il est important qu'ensemble, que nous essayons, bien sûr, de faire continuer l'économie tout en développant la solidarité. L'économie doit se poursuivre et des comités seront mis en place, des propositions sont en train d'être élaborées. Et l'emploi n'est pas menacé Enfin, bien sûr, quand vous avez des secteurs comme le tourisme qui ferment tout de suite, c'est direct. Donc les employés sont mis en chômage technique, euh, parfois pour l'instant avec des salaires mensuels. Il est évident, si cette crise devait se prolonger, ben, il y a ce risque de menace. Maintenant, c'est comment nous devons gérer la solidarité autour de ça. C'est des questions sur lesquelles nous nous entretenons avec le gouvernement. Encore une fois, redire euh, ce que le président nous a exprimé à nos secteurs privés, c'est toute sa satisfaction sur la mobilisation que nous avons, sur les propositions que nous faisons, sur la résistance que nous faisons d'un point de vue économique et cette volonté en plus de maintenir des emplois dans des situations très très difficiles. Moussa Agne ñëpp rafetlu nañu taxawaayu secteur privé Sénégal di dimbali nguur gi ci xeex bi nga xam ni moom lay xeex Covid 19 waaye itam njiitu réew mi wane na xel bi mu bàyyi kër liggéeykaay yi ba tax ay dogal yu am solo yoo xam ni jël na ko ginnaaw bi ngeen waxtaanee ak moom lan la ñu mën a jàppandi ci waxtaan bi ngeen xam ni sekk ngeen ko ak njiitu réew mi. waaw foog naa fi ñu war a tàmmalee wax ji mooy gërëm président de la république gërëm ko si taxawaayam. gërëm ko si lii nga xam ne dafa dal Sénégal dal àddina bi yëpp mu taxaw si ànd ak njabootam yëpp leneen kat fii laa bëgg jëm il faut lii ñu jógal ko ensemble man donc mënuma ko il faut ma def ko ak ñëpp mu am si taxawaay bu rafet defe naa ñëpp ko rafet ñi nit ñi ñi nga xam ne ñun ñooy secteur privé eh, suñu génnee affaire santé bi mu nekk li si ëpp ñu muy gën a dal mooy économie mu wooñu nag ne naka la ñuy mën a waxtaanee si loolu naka la xool yéen ñi nga xam ne ñi bëri si yéen sax lii dal na son kaw mais aussi yéen yéen a war a développer solidarité yéen a war a yokk aussi ndimbal naka lañ koy defee ñi doon waxtaan si loolu mu wax ñi d'abord euh, vraiment que taxawaay secteur privé li mu si gis depuis bi mu amee ba léegi mu koy rafetlu mu xam ne ni

vraiment ni continuer def ay propositions parce que effectivement économie daf koy dal légui nak nak lañuy doxalé nak lañuy la ñuy defee ñu doon ko waxtaanee mais li ñu mën japp dal moy dafa melni amna bekté trop si secteur privé sénégalais bi ni ñi taxawé ni ñi mobiliser wax nako ko waxaat ko am sax lo xamné ne ko doon xam nga Sénégal moom dañ wax bi dafay bari parfois. ñi dem ba di wax ñu koy laam-laame nga di ko laam-laame di ne président bi kat dafa ne kontaanul si lii ak lële leeral nañu ko it wax na ni mu kontaanee si ñen mais am na ñoo xam ne ñenn loolu dafay am yaakaar bi ñu war a taxaw ak ñoom ni ñu war a taxawee taxawuñ ko te waxul ak si benn sénégalais tout benn sénégalais bon loolu it ñu nit ñi ànd si parce que soo nekkee si dëkk nekk aussi bitim réew nekk nitu bitim réew di fi liggéey lu mel ni dal si Sénégal te yow nga am si ay marché yu dëgër war sa taxawaay aussi war nañ ko gis loolu rek la te nit ñi ànd ak moom aussi. mu donc euh, kaddu yoo xam ni euh, Bédi Agne euh, yëkkati na ko jëmale ko ci waxtaan bi nga xam ni sekk nañu ko ak njiitu réew yi muy feddali rek lii nga xam ni mooy. mobilisation bi nga xamni secteur privé au Sénégal mobiliser nous ko ngir jàppale nguur gi ci bi nga xamni mom lay mi voilà donc des moments euh, forts un engagement également euh, fort de la part du secteur privé sénégalais qui a réaffirmé donc son adhésion à, toutes ces mesures prises par le chef de l'État pour notamment soutenir le secteur privé sénégalais et toutes les entreprises le travail notamment des Sénégalais. Euh, tout à fait. Euh, en ce moment même, ce sont les communicateurs traditionnels euh, qui viennent de faire leur arrivée ici en rejoignant Haj Sombay qui est déjà arrivé, qui est le chef de la délégation. Donc, Perla, Diop, les autres également vont rejoindre cette délégation des communicateurs traditionnels, comme vous le voyez à l'image. Donc, bien sûr, ñii nag mooy ñi nga xam ni seen kàddu dina yegg yoo xam foo xam ni euh, bëriwul kàddu bu fay yegg donc ci njiitalu euh, Haj Mansour ñu ñëw ñoom itam war a jàmmarloog réew mi waxtaan ak moom ak njiitu réew mi voilà jàkkaarloo ak njiitu réew mi ngir waxtaan ak moom ci politique bi nga xam ni initiative bi nga xam ni jël na ko mu jëm ci xool nan la ñuy def ba Sénégal mën a faganduku faggu itam ci feebar bi nga xam ni moom mooy euh, Covid 19 ñoom itam ñu am ci kàddu bu am solo boo xam ni ñu ngi koy xaar ci ñoom. waaw loolu nekk na lu am solo li nga xamante ni Aboubacry wax nga ko parce que ñi nga xamante ni ñooy communicateur traditionnel yi ngi gis noonu euh, Adja Kiné Lam moom tamit ñu ràññee ko lool euh, si réew mi ci lu jëm ci lu nga xamante ni mooy woy woy cosaan

ñoom amoon na saat xam naa lu leen xawoon métti gannaaw bu ñu déggoon ne euh, dañu dañoo déggoon ne président ne ñoom li ñu joxe dafa tuuti donc président teral na seen xel loolu du ay kàddoom te ñoom nee nañ euh, li nga xamante ne loolu lañ wax lañ joxe loolu ndorteel la rek ñoom commencé guñ soo joxe euh, parce que jàpp nañ ne dina dem ba egg ay milliards ay milliards yu bëri bëri yu nga xamante ne dinañ ko dugal euh, ci gafag ak réew mi ngir fexe ba jàppale ñi nga xamante ni ñoo di askan wi rawatina ci lu jëm ci wàllu xeexu coronavirus bi. effectivement dafa am ay kàddu yoo xam ne dafa jiboon am ñoo xam ni dañ doon wax njiitu réew mi nee na kontaanul ci secteur privé bi mu am.